On s'attendait à ça parce que depuis très longtemps, le président même il est averti, il sait très bien, mais il a des gens autour de lui qui sont en train de le tromper. On sait qu'il aime le Mali, vu l'âge, vu l'incompétence, beaucoup de choses. Il ignore même les problèmes qui se trouvent autour de lui. c'est tout à fait normal. Coup d'État, qu'est-ce qui a mis le coup d'État Les militaires, là aussi, c'est des citoyens comme tout le monde. la population, les religieux, tout le monde a tourné autour de ces messieurs pendant combien de temps

adde bore kani dan dan shi goy er gonda fonda kan dirgen kani